comme am pétrole mën nañu fexé ba sax fi ba faw lu a la Sénégal c'est un pays tellement intelligent ci la sécurité donc il n'est pas dit forcément malédiction bu laal pays am pétrole mën dinañu laal ñun non c'est pas forcé il faut qu'on consentit les mains c'est-à-dire que nous ñu ñu ñu ñu il faut que ñu jàppalante ñun ñu jàppale régime bi. moom mu doxal. régime bi yërëm askan wi. Mhm. affaire euh, comment dire su ko defee pétrole bi mu ñëwaat ci poos askan wi loolu mooy yërëm yërmande. da ngay yërëm say askan. Mhm. lépp li nga exploité pétrole bi ñu mën a sentir ci seen poche askan bi parce que mhm. les ressources là appartiennent au peuple mooy askan bi. exactement donc ñun lu ñu nangul mooy maanaam exploitation ba pare mu am ay détournement ñiy jaawale seen poste ak poste askan wi ci po mhm. kii moo tax lépp dafa war a leer mhm. te aussi dafa war a tegu ci yoon mhm. dafa war a tegu ci yoon exactement that's all right c'est clair yes ok <laughs> tey Arfan daañu tey ay anglais la xëyee Arfan ñu jàll ci beneen quotidien muy Walf Quotidien moom tamit euh, lim mu xëyee mooy euh, après eurobond bi 450 milliards yi am na beneen décaissement bu Sénégal di xaaraat mu war a jógee ci FMI. Mm-hmm. ñu war ko jot euh, ci ci juillet ci mois de juillet bi moom nag mi ngi ko tuddee plus de milliards sur le Sénégal. oui mais loolu xamal loolu juróom na fi coow. Mm-hmm. <laughs> les fonds les fonds les fonds de de FMI boo xamante ne peut-être Sénégal dafa demoon lebi pour compléter le déficit budgétaire bo xamantene yone moko may sañ-sañ bobu mhm. pour mu dem lebi compléter le déficit budgétaire juróon na fi coow ah. mhm gis nañ ci ay journaux nekk fi di titre ni que woy eh, le régime de Diomaye mu ngi ci tànk ba comment dirais tànk Macky Sall mm-hmm. mooy maanaam Macky Sall lu mu leboon mm-hmm. en 2000 mille xaw ma en en cinq ans xaw ma en 12 ans mm-hmm. ñoom dem nañu deux en deux mois ñu dem lebi ko gis nañu l'observateur mu titre ces genres de titrage mais pourtant euro euro boobu noonu mais euro bon boobu ci kiw Macky Sall la oui ñoom dañoo fàtte loolu dañoo fàtte ni euro bon bi ci ci depuis depuis ci jamono Macky Sall Macky Sall créé pas c'est pas jomai mais dañ koy doora jot ci mais jot Jomaay ci nguru Jomaay lañ ko jot. mais mais pourquoi les gens en font euh, en font un débat. dina non lu ci leb dem nañu leb FMI Fonds monétaire ouest euh, comment euh, international. ñom dem nañu ci banque FMI di leb alors que loolu lañ doon yag kaas ci Macky ñu ni que <laughs> ça ne date pas de Diomaye Faye mais ça a été déclenché bien avant ci comme ça dañ ne fait la le déficit budgétaire une valeur de 400 et quelques milliards la dem pour compléter le déficit budgétaire. Donc, nous n'avons pas C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays au monde qui a de l'EB, des Mais il y a une stratégie d'endettement. Tous les pays au monde ont l'EB. Mais il y a une stratégie d'endettement. Endettement, si vous a un peu de temps, on a un comme Macky Sall num ko defé bo xamante dafa dem labi labi labi labi labi bo xamante ñun dañ ko fay ba suñu sët suñu sëtaat fay ko heureusement qu'on a commencé à voir euh, euh, comment dire du di pétrole amana pétrole bi bu commencé euh, mën nañu commencé fay bor bobu ndànk ndànk mais pour xamal ni que nit ñi ni que pas mort il y a aucun pays au monde bo xamante ne musul leb wala du leb mais mhm. aussi dafa am barème bi ngay lebee nekkul ni da ngay ñëw di leb leb leb leb leb ba à la fin <laughs> doo ko mën a fay comme luñ ko doon defee fii te jamono Macky Sall ba les pays occidentaux l'Union européenne ci jamono Covid 19 bi. a décidé dañu da baal ñu baal ñu suñu suñu suñu dette bi. oui loolu amoon na fii ci jamono Covid 19 bi. parce que dañoo leb leb leb ba à la fin <laughs> mu diis suñu kaw heureusement ba mu Covid bi y ba un pays décidé de ñu date bobu ñu ne ce même Macky Sall a d'aller emprunter de l'argent de faire endetter ce pays hmm. le coût de l'endettement élevé tellement donc si le Diomaye Faye vient hmm. il va vouloir il va vouloir réparer ça mais on ne peut pas le réparer en deux mois effectivement Là où on l'a fait en 12 Amakissa l'a fait en 12, en 12 ans, mhm. Basile -hmm. ne peut pas réparer les dégâts en deux mois. Mhm. Sénégalais, il faut que nous sachions lolo. Il faut que nous sachions lolo. Ça dit que Diafé Diafé Réumi, mhm. nous ne pouvons régler en deux mois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lolo, c'est-à-dire que Benna Manda, ça, Benna mandat suffirul ça, pour régler Yako yàqu bi c'est vrai que nous nañu nous ni ko commencé à exploiter pétrole sénégalais ont di di comme fait, à la une des journaux ils sens réellement qu'il y a un espoir au Sénégal c'est normal Nous, hein? ñun avons dañoo am espoir. ni que pétrole comme commencé nous, commencé, ñun dinañu mën régler les questions question majeures d'abord nous avons ci la chérité de la vie au Sénégal. Dakar, c'est la capitale la plus chère en Afrique de l'Ouest. C'est la ville la plus chère en Afrique de l'Ouest, Dakar. C'est le ko ñi ñi xamuñu donc parfois il faut que nous xam ko il faut que nous wax ko pour nous ñi il faut que nous wax ko pour nous ñi le Sénégal fait parmi les pays les plus chers en Afrique pourquoi pourquoi Pas mort. nañu pourquoi le Sénégal fait parmi les pays les plus chers en Afrique Pourquoi Et Dakar, c'est la ville la plus chère en Afrique de l'Ouest. Au nom de quoi Pourquoi ça Ça, il faut que nous voyons. Nous César de communication, autorité de nous Mais l'autre nous, on est journalistes. Allez, demander les économistes pourquoi cette séreté de la vie à Dakar que tu ne vois aucunement dans aucune ville en Afrique. Dakar même est plus cher que Paris. Ou bien c'est les mêmes tarifs. Ou bien c'est les mêmes tarifs. Soit Dakar est plus cher que Paris, ou bien c'est les mêmes tarifs. Au nom de quoi Pourquoi ça Pas mort, Gambi, le la ñuy sama file yi Gambie fii Gambi, sucre. ciment hmm. Gambi, on a trois cimenteries au Sénégal Gambie je pense même Mali. Mali Mali. Mali du fille la ñuy Mali nous, demuñu sax ba may courant. Mali Mali du fii la ñuy le mhm. mhm. carburant. Mhm. alors que Mali. li ma lay wax li ma xam a exactement Mali carburant. alors que carburant Mali le que Sénégal. on se pose pas les questions pourquoi ça. Pourquoi la sérénité de la ville de Dakar Pourquoi la sérénité du Sénégal, le pays Mais pendant ce temps-là, on nous dit que des gens détournent des milliards dans ce pays. Et ça reste impuni. Il faut que nous Il faut que nous Pourquoi ces pays environnants-là, ils ont ressources, un approvisionnement au Sénégal, Bon, par Sénégal, gagne cher ces pays-là. Au nom de quoi Non, mais il faut qu'on se pose ces questions-là. Au nom de quoi Bon, demain, Gambi, farafe Bini, Fini, Gambi, frontière bi. 5 kg sucre, 2000 les 2000 francs, les gars. 5 kg sucre. Farafeye Bini, Nimaï Setan, bouffez que Limaï Wardoudeg. Je confirme. Farafeñe fii ci frontière Sénégal Gambie 5 kilos sucre, 2000 francs lay jar. Ah, mais ñëwal Dakar nga ne da ngay jënd 5 sucre. 5 kilos sucre. il faut venir à Dakar nga nga dem ci boutique bi ne ko jaay ma 5 kilos sucre. nga comparer ni nga koy jëndee ak li ngay jëndee fi ci frontière Gambie bi fi hmm. au nom de quoi. on a une compagnie sucrière au Sénégal Non, ñun Sénégal amna ñuko fi au Sénégal. Hmm, kilo 400 la fa mais sucre sucre que nous que en Gambie. Oui, Gambie euh, kilo kg. oui ils n'ont même pas d'explication ces autorités là pourquoi la la le coût de la vie est est tellement plus élevé. à Dakar que à Bamako. que à Nouakchott. que à Conakry. que à Abidjan. que à pourquoi ça. Pourquoi Nous, les Sénégalais, on ne se pose pas ces questions-là. Donc, on espère que ni pétrole, si nous à exploiter, ni, Dakar dina dem ba ne le contraire au lieu de la ville la plus chère en Afrique c'est la ville la moins la moins chère en Afrique ok c'est clair au moins espoir boobu nous ngi koy des yakar yakar Bobo. c'est clair euh,